représentant le président de la commission énergie de l'Assemblée nationale, honorable député, j'en vois beaucoup, madame paramba par Fatou honorable député de honorable député Hassan honorable député Aminte et bien d'autres honorables députés, madame, messieurs, à vos titres euh, c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons ici. Madame le ministre Godenboy, ma soeur, merci de nous avoir fait l'honneur de venir participer à cet atelier. Vous êtes également ancien maire de la commune de juste donc cette activité aussi vous intéresse et votre expérience nous intéresse. Vous avez eu à travailler avec la SOCOSIL également, donc présence est importante également. Mes collègues de la société civile, Alice Diop, Barbara, Docteur euh, Fall, nous avons le plaisir de vous accueillir dans cet hôtel pour discuter avec vous des contraintes liées au transferts internationaux. Et donc, ce qui justifie essentiellement cette rencontre, c'est les constats que nous avons faits par rapport à cette question. Les retards importants et les irrégularités injustifiées dans les transferts internationaux. Un seul transfert réalisé au titre de l'année 2019. Le fonds était arrêté à la somme de 5 milliards 215 millions de CFA, mais seulement un montant de 2 milliards 096 millions est parvenu au collectivités territoriales, soit 40% du montant. Premier constat. Le deuxième constat, c'est l'ineffectivité des paiements directs par la majorité des entreprises du secteur extractif. Seulement cinq sociétés sur une centaine ont versé un montant de 70 millions seulement. Je ne vais pas citer les sociétés concernées, mais cela nous invite à nous interroger sur les obligations légales et contractuelles des entreprises mais aussi à repenser les clauses de stabilisation pour les adapter au contexte économique. L'autre constat, c'est l'absence de transferts infranationaux dans le secteur des hydrocarbures, qui est acté comme un choix politique, en tout cas de l'ancien régime. Et aujourd'hui, donc, il faut questionner sa pertinence, mais aussi sa légitimité. nos attentes par rapport à cette atelier, c'est surtout de faire le point de ces transferts internationaux de 2019 à 2023. Apprécier la pertinence des investissements réalisés sur ces transferts et les paiements sociaux aux collectivités territoriales. Contrôler l'utilisation des transferts internationaux et des paiements sociaux. Questionner et analyser les processus, les dispositifs et les mécanismes qui encadrent les transferts internationaux et les paiements sociaux mais aussi analyser la pertinence des critères de redistribution des recettes provenant de l'activité extractive au volet territoriales, qui reposent aujourd'hui plus sur la densité et la pauvreté que sur l'impact de l'efficacité des mécanismes de transfert et de l'utilisation de ces revenus par les collectivités pour soutenir le développement économique. Nous allons essayer d'identifier également les boulots d'étranglement qui limitent la régularité des transferts internationaux et les paiements sociaux sur le plan politique, juridique, réglementaire, budgétaire et opérationnel. Et nous allons aussi essayer de réfléchir sur comment impliquer les dispositifs communautaires et politiques soutenus par le programme USAID 13 à travers le Forum civil et l'ONG 3D, notamment les CPC que nous avons mis en place et les plateformes qui sont dans la prise de décision au niveau local. Voilà, un autre euh, que nous avons de, de l'atelier. Et avec les pour les prochaines étapes, nous comptons élaborer un plan d'action de plaidoyer pour lever les contraintes liées au transfert d'informations et à l'irrégularité des paiements sociaux. Nous comptons également accompagner l'ITIE dans la validation du rapport 2025. Avec les parlementaires, nous allons essayer d'accompagner dans le suivi du paiement des transferts internationaux et des paiements sociaux, apprécier les exonérations fiscales et leur impact sur le budget national, et surtout soutenir la mise en œuvre des recommandations de l'UTE auprès de l'État. Voilà donc, entre autres attentes, cet atelier. C'est l'occasion pour moi de remercier tout le monde, remercier Madame pour madame. Je Remercier également tous ceux qui ont fait le déplacement pour assister à cette rencontre. Je vous remercie de votre attention. Tous les membres de euh, salut aussi la presse. Euh, monsieur le Président, euh, le docteur de. Bon, moi je l'avais pris, parce qu'on a travaillé avec Roi Cap Santé. Je pense qu'il faut saluer euh, euh, vraiment la volonté, la vision que euh, c'est euh, parce que, comme vous le savez, la société civile et les élus territoriaux se regardaient avec beaucoup de méfiance. Pas je dire il y a un mot que je ne peux pas utiliser. Mais il y avait un fossé entre les, les élus et la société civile. Grâce à lui, aujourd'hui, la société civile et les élus travaillent à mettre en œuvre donc c'est à saluer. Je voudrais, au nom des élus, vous remercier parce que vous êtes venu vers nous, signer une convention avec nous pour nous accompagner, pour nous aider à régler les problèmes que nous rencontrons dans l'exercice de pouvoir au niveau territorial. Euh, je voudrais aussi, euh, euh, Madame la ministre, Madame la Présidente, saluer les personnalités, je ne vais pas tout le monde, hein, mais comme vous l'avez dit, Madame qui a été une championne euh, au, niveau, au, niveau des, au niveau territoriales, mais aussi vous dire que M. Sissé, à travers vous, euh, la société civile à travers vous est devenue vraiment est devenu un soldat pour le développement des territoires. Euh, quand on parle de, de, transfert, et je pense qu'il faut que qu'on explique clairement, parce que quelqu'un qu'on vous quelqu'un qui vous lui dites que maintenant je suis chargé de prendre ton argent mon argent est ton argent Il il le prend mon aaki utilisez ko utiliser li mu moom ba pare li nga c'est ça ce qui se passe aujourd'hui et les collectivités territoriales sont impuissantes salaamaaleykum monsieur le directeur exécutif de dg 3D monsieur c'est ça. Madame, Messieurs, honorables députés, chers participants, aujourd'hui, je voudrais tout d'abord me réjouir d'être là avec vous, car la réflexion sur la problématique des transferts internationaux ouvre des perspectives d'un débat sur la transparence, la direction de la promotion de la bonne gouvernance par ma voix accompagnera l'ITE et ses partenaires techniques dans cette belle initiative. En résumé, la présidente l'a dit, M. Ndiaye l'a dit, l'honorable député l'a dit, il y a un problème. le problème, c'est un problème de transparence. Et le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye dihafaye compte beaucoup sur la transparence. C'est pourquoi aujourd'hui, il veut que les Sénégalais l'aident. Il a annoncé de façon solennelle, voyez m'aider. Et comment aider le président de la République C'est d'abord qui, que euh, partout où on est, on soit des relais d'information, donc des relais d'informateurs. Et aujourd'hui, moi, en tant que président, euh, directeur de la promotion de la bonne gouvernance, je tends la main aux partenaires ici présents pour accompagner le président de la République pour la transparence. C'est seulement dans les pays sous-développés qu'on parle de ces problèmes la difficulté majeure, c'est qu'il y a beaucoup de milliards qui passent partout sans être contrôlés. Et je pense en 2024, avec l'arrivée donc du président de la République, M. cette pratique doit cesser. On doit revoir les choses. Comme l'on dit, chacun doit y doit sentir. Chacun doit mettre sa main dans la pâte pour qu'ensemble, nous bâtissons un Sénégal nouveau. Je ne serai pas long, Madame la Présidente. Euh, je vais juste vous féliciter, féliciter le Président aussi, Sissé, qui depuis longtemps est là pour une démocratie. Aussi, je félicite aussi les journalistes qui sont là présents si le président de la République parle aujourd'hui donc des impôts, si aujourd'hui le président de la République parle aujourd'hui du non-paiement de certaines entreprises, c'est pour protéger tous les journalistes, c'est pour protéger la société, c'est pour protéger les citoyens. Et je sais que le président de la République a beaucoup d'ambition dans ce pays. Et raison pour laquelle donc aujourd'hui, je parle la main, je renouvelle aussi mes engagements envers les partenaires qui sont là, ici présents. Et je dis très souvent, dans un Sénégal d'aujourd'hui, il n'y a pas seulement le président de la République qui peut faire, mais chacun a une mission particulière. Le président est clair lorsqu'il dit Aidez-moi à trouver les trinquants, y compris lui-même. Il a dit, si vous voyez que je fais des erreurs, rappelez-moi alors. Et donc les autres n'en parlent pas. Raison pour laquelle, donc on doit revoir les choses, on doit revoir les nouvelles pratiques, avoir de nouvelles pratiques. Donc je vais m'arrêter là, Madame la Présidente. Et je vous remercie et je remercie les restants ici présents. Merci beaucoup, merci beaucoup, monsieur, monsieur Gay. Que euh, relève cette rencontre, que l'intérêt singulier que vous y attachez. Il me plaît également de remercier ses partenaires d'asseoir une collaboration plus que franche et fréquente entre les différents acteurs pour relever les défis majeurs de ce secteur catalyseur de croissance économique et sociale mesdames et messieurs, le secteur extractif est aujourd'hui, il faut le reconnaître, un pilier important pour le développement de notre pays, avec un fort potentiel de ressources minérales, pétrolières et gazières. Ainsi, les revenus issus de ces ressources extractives offrent une opportunité d'accélérer la dynamique l'organisation de nos pays et par les son développement économique travers notamment une augmentation substantielle de l'investissement public. À ce titre, le Sénégal a, depuis plusieurs années déjà, renforcé son cadre stratégique, légal et institutionnel, en se dotant entre autres de nouveaux codes pétroliers et gaziers, y compris des dispositifs visant à promouvoir le contenu local ainsi que l'adhésion à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE. Mesdames et messieurs, une gestion harmonieuse, efficace et responsable des ressources extractives suppose dès lors de créer les conditions de dialogue citoyen et de redevabilité qui engagent les citoyens et les décideurs pour une gouvernance responsable, durable et équitable ces titres ressources. Cette finalité est en définitive une obligation constitutionnelle. Ainsi, considérant que les populations doivent être les principaux bénéficiaires des retombées issues des ressources extractives, le constituant en a eu fort heureusement pleine conscience en disposant, au terme de l'article 25 de la Constitution, que les ressources naturelles appartiennent sur ce. L'Assemblée nationale et ses organisations de la société civile doivent veiller au respect scrupuleux de la réglementation en vigueur afin de relever les défis liés aux exigences de transparence dans l'exploitation et la redistribution des revenus attendus. À cet effet, tout en te félicitant de certaines mesures importantes qui ont été prises dans ce sens, notamment l'adhésion à l'initiative pour la transparence dans l'industrie, dans les industries extractives, l'effectivité du droit à l'information des citoyens, gage de transparence requiert une plus grande diffusion des rapports établis par le comité national. Mesdames et messieurs, distingués invités, il est apparu cependant à l'analyse que malgré le dynamisme de ce secteur porteur de développement économique, des difficultés, voire des carences sont à relever. En effet, il est noté une faible prise en charge de la demande sociale dans les zones d'exploitation. Une insuffisance des, équipements et surtout des retombées financières au profit des collectivités territoriales quasi inexistantes. En cela, en dépit de la hausse des interventions de l'État et de ses partenaires, force est de constater particulièrement une accentuation de la pauvreté, une insuffisance de l'accès aux services sociaux de base et une précarisation des conditions de vie des populations dans la zone d'exploitation. Sur le même registre, nonobstant la mise en place d'un dispositif réglementaire visant à permettre aux collectivités territoriales appritant les entreprises exploitantes de pouvoir pleinement tirer profit des ressources financières, force est de constater que ces entités territoriales rencontrent des difficultés liées au paiement de certaines taxes et de redevances, telles que le fonds d'appui et de péréquation, ainsi que le fonds d'appui au développement local. Ces fonds devaient permettre de financer le développement local mais aussi d'appuyer les collectivités locales et les citoyens à travers des mécanismes qui leur permettent de s'insérer dans le tissu productif, mais aussi d'avoir des revenus pour soutenir le financement au niveau local. Dès lors, cet atelier vient à son heure en vue de formuler des recommandations au profit des acteurs du secteur extractif, notamment le groupe multipartite, dans l'optique d'approfondir davantage la réflexion l'opportunité d'encadrer le mécanisme d'octroi des dépenses sociales ou paiements sociaux, ainsi que la nécessité d'assurer davantage la disponibilité et la régularité des paiements infranationaux, dont le Comité prévoit qu'une partie de ces ressources fiscales provenant des opérations minières devrait être versée dans un fonds de précaution destiné aux collectivités locales. Pour conclure, monsieur, il convient de lever toute l'importance que revêtent les investissements que vous réaliser les collectivités territoriales à travers les fonds issus des ressources En effet, l'optimisation des titres renouvelés doit se traduire concrètement par la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base susceptibles d'impacter positivement et de manière significative le bien-être des c'est le lieu de saluer ici tous les efforts consentis afin de faire du secteur extractif un moteur de croissance économique et sociale. Cependant, des efforts restent à faire pour améliorer sensiblement le bien-être des populations locales et garantir davantage la disponibilité et la régularité des ressources financières octroyées aux collectivités territoriales. Je vous remercie de votre grade, tout protocole euh, observé. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui avec vous pour prononcer le mot d'ouverture de cet atelier euh, lié au défi des transferts euh, infranationaux. J'ai un discours de 10 pages que je ne lirai pas sur la langue ITE. J'ai essayé de, de résumer ma contribution sur quelques points parce que je sais que beaucoup des sujets ont déjà été abordés par les autres autres membres qui sont au le Et je pense que le plus important aujourd'hui pour nous, c'est d'aller vers euh, des solutions, quelles sont les bonnes pratiques et qu'est-ce qu'on peut, qu'on peut faire pour faire bouger les lignes. Euh, l'année 2024 est une année de chantier pour nous. Et quand je parle de nous, je parle de l'ITIE. Vous savez que l'ITIE, c'est un comité national euh, qui est composé de plusieurs collèges. Nous avons le collège du secteur privé, présent, Je vois Madame Baye qui est là. Nous avons le collège de la société civile et nous avons aussi le collège de l'État, des institutions euh, et dont les parlementaires qui, qui sont là aujourd'hui, le HCCT, etc. Donc nous sommes un ensemble très participatif et notre rôle, c'est de faire avancer le Sénégal dans un secteur aussi important qui va porter notre croissance économique. Je dis que c'est une année de chantier parce que vous le savez peut-être déjà, en janvier 2025, euh, l'État du Sénégal fera l'objet d'une évaluation de l'ITE internationale. Ce sera notre troisième évaluation. Euh, nous sommes euh, le pays numéro un de l'ITE en Afrique et nous comptons, à travers cette validation de janvier 2005, faire partie en tout cas des meilleurs élèves. Et pour faire partie des meilleurs élèves, nous devons faire bouger les lignes sur un certain nombre de dossiers. Un grand chantier que nous avons en ce moment, nous avons besoin aussi de nos parlementaires, c'est sur le registre des bénéficiaires effectifs. Vous savez que le Sénégal a signé ce qu'on appelle le gouvernement ouvert, donc Open Extractive. Et la transparence, la redevabilité nous dit que la propriété effective des, sociétés qui sont dans le secteur doit être connu. Le Sénégal a un registre, mais ce registre n'est pas encore public. Et si vous vous souvenez, dans le discours du président de la République le 3 avril 2024, il a dit que la volonté politique du Sénégal, c'est de rendre ce registre de la propriété dans le secteur extractif public. C'est un grand chantier pour nous. Le deuxième grand chantier que nous avons, c'est qu'il y a des études d'impact environnemental sociales, que le ministère de l'Environnement doit aussi rendre public sur leur site, ainsi que les plans et les stratégies de mitigation. Le troisième grand chantier, et c'est peut-être l'objet aussi de notre atelier, c'est comment faire pour que les collectivités territoriales puissent retrouver leur part euh, de la richesse qui est créée à leur niveau. Euh, nous sommes tous allés sur le terrain, je pense que notre dernière visite étaient cet matin. matin. Et lorsque nous rencontrons les populations, les populations nous disent Ils voient la richesse, ils voient les camions passer et ils jugent que le secteur privé ne fait pas assez et qu'on devrait leur construire des écoles, des centres de santé, des infrastructures de base. Et le secteur privé répond Mais nous, on a déjà cotisé, on a payé tout ce qu'on devait payer et c'est au niveau du trésor public, c'est au niveau central. Lorsque ça arrive dans la caisse de l'État, l'État aussi a des priorités. Moi, j'ai été de l'autre côté, donc il faut payer les salaires, il faut payer le carburant. Donc parfois, le fait que ce soit une même caisse et qu'il y a des priorités encore plus prioritaires au niveau national. Autre chose, comme on l'a dit, notre constitution dit les ressources naturelles appartiennent au peuple, mais ils appartiennent au peuple entier. Donc c'est pas parce que phosphate matam le que matam avec Sénégal ou et donc ça fait partie des chantiers aujourd'hui je pense que durant l'atelier euh, il y aura euh, un partage d'expérience par rapport aux meilleures pratiques qu'est-ce qui se fait ailleurs qu'est-ce qui se fait en Sierra Leone en RDC euh, voilà même au Burkina qui est à côté de nous ils ont ils ont fait un guide sur les fonds locaux disant comment les, les débourser que ce soit essentiellement affecté à des dépenses d'investissement donc il y a des modèles qui existent que nous pouvons nous-mêmes euh, répliquer. Nous sommes euh, sur euh, notre rapport 2023. Donc, cette année, comme vous le savez, chaque année, l'ITIE fait un rapport annuel. L'ITIE, tout à l'heure, vous me donne light ITIE, mais ITIE, c'est le rôle principal. Hein. Moi, je, suis arrivée en 2024. ITIE 2013, l'ITIE Sénégal coup, belle mission là. Publiez ce que vous payez, d'ailleurs, c'est le headline loolu la commencé woon nan la ñuy saytoo lii ko entreprise yi nekk ci secteur extractif bi yëpp ne lañ fay nañ ko état est-ce que ñun bu ñu saytoo de façon indépendante parce que keneen moo koy saytu fekk nañ ko ci keesu nguur loolu moo nekkoon loolu utile léegi nag norme bi dafa évoluer léegi ñu yokk nañ ci contenu local yokk nañ ci est-ce que jigéen ñi ci gis seen bopp yokk nañ ci transparence publication registre donc norme bi ni ngi évoluer te évolue évolution boobu moo moo moo tax léegi ñu dépasser rek est-ce que xaalis bi euh, entreprise yi fay fekk nañ ko ci keesu donc aujourd'hui vraiment je suis je suis ravie d'être là euh, parce que ñun gëm nañ ne euh, bu ñu demee sur le terrain mën nañu vraiment impact bi mën na yokk impact bi mën na yokk bu baax parce que population yi ñuy taseel seen joy seen bébét yëpp mooy dañuy gis secteur bi dañuy ci gis seen bopp bu ñu xoolee tamit li secteur bi di générer en terme de de revenu daaw wala fàttalikoo ci suñu rapport 2022 mille vingt nee nañu deux milliards le secteur bi indi ci keesu état ñu bëri xeeb nañu léegi am nañu pétrole am nañu gaz donc secteur boo xam ne dafa nar a monter en puissance nan la ñuy def ba liy dugg ci caisse nguur ñu koy transféré systématiquement collectivité territoriale yi euh, gën a gën a ñoom gën a bëri je pense que loolu mooy objectif bi parce que sinon euh, dañuy am lu ñu tuddee malédiction des ressources naturelles mooy dañuy am ressources naturelles mais euh, groupe bu ndaw ñoo ciy bénéficier te ñun dañuy bëgg mu nekk moyen boo xam ne Sénégalais yëpp nañ ci gis seen bopp mu nekk vraiment benn accélérateur du suñu développement économique loolu moo tax. ITIE que vraiment un comité national bu am solo ñu bokk ko ak je dois remercier sama frère sama xarit euh, bu c'est un partenaire clé la société civile joue un rôle extrêmement important dans le comité national euh, de veille d'alerte euh, vraiment nga xam ne État représenté par toutes les régies financières nous travaillons en en vraiment franche collaboration et j'espère que cet atelier-là, on va sortir de l'atelier avec de bonnes recommandations. Recommandations, yo xam nak nag bëgg nañu yeen suñu parlementaire yi ngeen porté ko ah, bu agé assemblée nationale comme on dit yeen ñep ngeen japp ci combat bi euh, parce que xëy da fay soxla yeen loi tënk ko nga xam état mëna na ñu koy jël xaalis bi au niveau central dañ ko transféré ñu mëna a am tamit euh, loi boo xam ne population yi dinañ mën a saytu bu ñu ko transféré ci lan lañ ko dugal je pense que loolu yëpp na solo